le directeur de l'école, chers enseignants, chers élèves, Madame la Présidente, félicitations à vous et à votre gouvernement. À côté de vous, je vous ai posé multiples questions. Concernant la composition de votre gouvernement, vous nous avez donné une leçon. J'ai été élu, j'avais un adversaire. Il a fait sienne de son programme, de son volontarisme et l'abnégation qu'il a animée pour me rejoindre pour l'intérêt général. Vous nous avez donné une leçon, nous, les adultes, et qui animons la vie politique de ce pays, vous nous avez demandé d'être des adeptes de la philosophie des complémentarités. Par ce sens d'ouverture et de responsabilité, je m'engage à contribuer de manière certes modeste, mais cette contribution est très sincère, parce qu'elle ne demande pas moins sincère, parce que adepte d'une cause, celle de la réussite de nos enfants à l'école. Pour ce gouvernement, vous êtes élu pour deux ans soucieuse de vos études et de l'importance et de la difficulté de la classe de terminale à laquelle vous aspirez l'année prochaine, vous m'avez dit, Madame la Présidente, je dois vous vous voyez parce que je suis dans votre secteur. Vous m'avez dit, je vais travailler la main dans la main avec le Premier ministre et que l'année prochaine, je vais lui laisser la présidence pour me consacrer à mes études. Votre gouvernement est élu pour deux ans. Pour deux ans, je m'engage ici, monsieur le directeur, à accorder une subvention personnelle de 5 millions de francs à cette école. D'abord, je commencerai par Madame la Présidente. Vous êtes présidente. Vous avez besoin de fonds souverains, pour ne pas dire politiques, pour le fonctionnement de votre gouvernement. Je vous donne un million. Ah, Maintenant, plus de subventions, plus de quêtes auprès des parents, le gouvernement a de quoi fonctionner. Faites-en une gestion transparente. Vous avez votre ministre des Finances, n'est-ce pas Dès lundi, allez-y ouvrir un compte avec une double signature celle de la présidente et celle du ministre des Finances. Vous vous accordez sur toutes les dépenses pour qu'à la fin de l'année, vous puissiez faire un bilan et qu'il y ait une transparence totale dans la gestion de ces fonds. Lorsque vous avez énuméré les trois raisons pour lesquelles vous avez présenté votre candidature, vous avez cité, si ma mémoire est bonne, parce que j'ai l'âge de, mes artères, je peux oublier. Pour le troisième point, vous avez parlé de la santé. N'est-ce pas Vous avez la responsable de ce centre de santé à côté. Et elle n'a ménagé aucun effort. Je mettrai à sa disposition 2 millions de je dis bien 2 millions de francs sur les 5 millions. Pas en plus de 5 millions. Je veux que ça soit clair. Sur les 5 millions, il y a moins un d'abord. Pour la, pour la présidente et le gouvernement. Il y en aura 2 millions. il faudrait, monsieur le directeur, inventer la médecine préventive et qu'il y ait un diagnostic précoce. Lorsqu'on lorsqu'on entrevoit des signes sympathiques, comme on le dit en médecine, sur certaines pathologies. Ceci va permettre de détecter ces pathologies très tôt, les soigner permettre à l'adolescent de pouvoir mettre en évidence son génie et l'ensemble de son humanité. Parce que un esprit saint dans un corps saint. Il restera 2 millions sur les 5. C'est 2 millions. Monsieur le directeur, essayons de mettre en embryon un sous-secrétaire d'État chargé de l'équité sociale. Il y a des cas extrêmement difficiles à l'école. Oui. Il a des difficultés c'est au corps professoral, un comité ad hoc, d'hierarchiser les priorités dans les difficultés. Pourquoi je parle de priorité Parce que je suis né ici, dans ce coin. Ce qui est la mieux partagée, c'est la pauvreté. Nous n'avons pas de millionnaires dans cette idée. on a fait autant que faire ce peut, avec l'aide des parents, avec le bon Dieu aussi qui décide, pour sortir de cette banlieue et gravir l'ensemble des échelons, comme l'a cité le directeur, en parlant de ma modeste personne. Pourquoi je dis ça Parce que il y a ce qu'on appelle la Kersa. Il y a des pères de famille qui ne peuvent pas parler de leurs problèmes. Mais les faits sont têtus. À regarder un enfant qui régresse à cause des difficultés au plan familial, le maître, le professeur, le directeur d'école sont les premiers à détecter dans un isolement, dans une discussion tenter de soutourer et de kersa, on peut venir en être discrètement sur ce fond, loin des regards. et sauver la vie scolaire de cet enfant. Monsieur le directeur, je ne sais pas où est-ce que la présidente Arifa a fait son cycle primaire. Ici. J'ai fait 12 ans dans cette école. Voilà. Je voudrais m'apesantir sur l'école primaire. Parce que vous ne pouvez pas avoir un cours secondaire d'excellence s'il n'y a pas les fondamentaux au niveau du primaire. L'accent doit être mis sur l'école primaire. Parce que c'est là où il y a les inégalités. C'est là où il n'y a pas l'égalité des chances. Et c'est là où l'école doit servir de filtre. De telle sorte qu'en franchissant le seuil de l'école, on a l'égalité des chances. Ceci va permettre d'éclore des génies. Ceci va permettre d'encourager un certain volontarisme par l'encadrement, l'écoute, la pédagogie pour avoir d'excellents produits en classe de CM2. Le nivellement ne doit plus se faire vers le bas. Parce que lorsqu'un 28 mars 1882, Jules Ferry faisait passer une loi en disant que l'école est obligatoire maintenant en France de 6 ans à 13 ans. En ce moment, on parlait de l'école communale et le premier maire qui a mis en évidence ce caractère obligatoire de cette école, c'est le maire du 5e arrondissement d'alors. Et depuis, nous les gouvernants, nous nous sommes dit pour qu'il y ait une transformation sociale au cœur L'école est le premier instrument qu'il faudrait utiliser. Où il y a la solidarité. Nous devons faire de sorte que l'accès au savoir ne soit plus un secret, ni un privilège. Et votre MC, M. Mané, nous a fait part que Microsoft a mis à votre disposition la possibilité de 6 000 livres en ligne. Demandez à, votre, à vos professeurs d'exiger au moins au cours de l'année qu'il y ait au moins 20 personnes par classe qui puissent lire chaque un livre. Vous parlez de série scientifique, mais si vous ne comprenez pas français, vous ne pouvez pas comprendre les émotions qui vous ont, sont posées. Et pour comprendre le français, il faut avoir le vocabulaire nécessaire. D'abord, après maîtriser la grammaire. Et vous comprenez le français. C'est le vocabulaire et la grammaire. Après, vous allez maîtriser. Il reste la conjugaison, etc. etc. Mais ça, c'est la base. Parce que un élève qui au CM2 quitte l'école, sachant à peine lire et écrire, il aura des difficultés pour apprendre le métier. Et s'il n'a pas de métier, il ne pourra jamais s'insérer sur le tissu social. Ce n'est pas possible. Donc, bon nombre de personnes ouvrent des écoles mais est-ce qu'ils sont animés de la conscience morale du bien commun qu'ils détiennent entre les mains Parce que ouvrir une école, c'est tenir entre ses mains périssables le destin spirituel de toute une communauté. Parce qu'on doit transférer un savoir. Et votre rôle premier, Madame la Présidente, c'est de veiller à la relation entre élève et élève, apprenant et apprenant. Ensuite, apprenants et professeurs, mais aussi parents d'élèves et professeurs. Et je pense que si cette classification est respectée, tout le monde sera au même niveau d'information. Parce que parfois nous assistons impuissants que dans une certaine école, on fabrique des camps. Il y a une révolution qui doit se faire. Vous avez les outils. Utilisez l'Internet à bon escient. L'Internet, TikTok, c'est pas pour insulter, c'est pas pour le sensationnel. C'est pour faire une immersion profonde dans la quête de savoir. Et compléter les enseignements parce qu'on peut tout apprendre à l'école. Madame la Présidente, pour conclure, je dirais à vous et à votre gouvernement, vous êtes en train de vivre la plus belle et la plus exaltante des expériences de la vie. Et celle-ci s'appelle la relève. Je vous remercie chers camarades, je m'appelle Abibot Sow et je suis la présidente du groupe scolaire Seydou Nourtal de Piquet. tey ñu dénk la li nga xamante ni moom moo di groupe scolaire bi nga nekk seen njiit euh, tey nan nga nar a liggéey ak élèves yi nga xamante ni ñoom lañ la dénk. ah waaw mën nañ ne ni man maay jokkale élèves yi ak euh, administration bi te incha allah ci ñetti ponk la ñuy liggéey muy environnement euh, éducation bi nga xamante ni. ak santé ak les sciences mais aussi tamit duñu faté français bi ak anglais nga xamante mo moo ñuy permettre ñu communiquer inshallah té te élèves yi kat dama fi nekk pour pas pour dicter leen ay loi mais pour jappalé leen nga xamante dinañ gëna mëna intégrer wu ci école bi dinañ ci mëna am ay résultats yu leer nañ inshallah gis nañu Seydou Nour Tall école la boo xamante ni si département de Pikine école bu macha allah la bu baax la en tant que euh, élève tey lan ngay wax euh, sa morom élève yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci école bi fi jàngee. ah Seydou Nour Tall maa ngi fi depuis 12 euh, ans et que 12 ans ba tey du dara on peut dire ndax fii laa jàngee CI ba tey jii maa ngi première et que nekk na école boo xamante ni fii laa fii laa yaroo laay wax ndax yaroo ma suñ ko parce que li may passé ci temps fii la ëppee donc su su ma fi nekkee tey jii ba tey c'est parce que prof yi ñoo ñuy jàngal bu baax en plus dañuy comprendre d'autant plus que directeur général ak administration bi ñoom ñëpp dañuy soutenir. Mhm, ndax xam nga li lay xaar. ah waaw parce que def naa samay élection wax naa sama programme te Seydou Nourou Tall dañ dafa nekk école d'excellence ma mm-hmm. ba 60 ans de excellence du dara mm-hmm. donc kon suñu amee présidente tey jii man présidente bi xam naa ni que li may xaar du lu ndaw mm-hmm. ndax école d' excellence rek ku ko wax rek ah mën gat euh, la high level la. yaa ngi ko doon jokkoo yaa ko ak mohammed euh, tay nga am gouvernement bo xamante ni ñaata membre la composé ak yan membre la. 10 euh, membres lañ am. Euh, parce que ministre yi ci bopam mohammed dama ko choisir pour mu nek sama premier ministre mais du té tamit idée yi mu amone ci campagne manam programme ak sama programme lañuy jël bolé parce que ñun ñëpp euh, soqali école bi moñu ñu donc ministre yi ci nek moy ministre de la santé euh, ministre de de des finances tamit amnañ ministre euh de l'économie, non pas de l'économie, mais ministre de l'environnement, ministre du sport, merci. Euh, amnañ ay ministres yo xamanteni chaque domaine pour développer école bi ministre a fa té ministre yoy dañuy am ay conseillers kon gouvernement bu mag lañ nar am te élèves yépp mën nañ ci dugg ndax ndax euh, mën nañ ne kat idée kat fu nekk lay lay lay lay lay ñëwee élève bu nekk dañ dañuy jël secteur bi nga xamanteni ay nga si te bëgg nga ci développer say capacité ñu <laughs> gis nañ sànq euh, ministre bi nga xam mooy ministre Pape Sagna Mbaye sànq wax na ni jàngal nga leen lan mooy choisir euh, Mouhamed def ko premier ministre. ah mais xam nga bu ñu nekkoon ci rivalité tey jii Mouhamed euh, bëgg école man ma bëgg ko tey jii kat moom am na ay idée am na ay xalaat yoo xamante ni man xalaateew ma ko moom tamit am na ay xalaat yoo xam moom tamit am naa ay xalaat yoo xamante ni moom xalaateewu léegi suñu boolee ñaar yooyu ah. nu ma ne école bi du développé. macha allah ñu sant la gërëm bu dee amul question. monsieur le ministre Pape Sagna Mbaye. mu ngi envier poste bi nga xam ne nga am mu ne yaa dund muy muy moment yi nga xam ne moom du sañoon ci période bi la koy dund. tey lan nga koy wax. parce que dafa ne. téléphone laa ko doon wax ci Mohamed. téléphone. ñoo ne li jàng. ñu koy jéem a pratiquer. ci loolu la inspiré ne moom envoyé na la ci moment bi nga xam ne moom ngay dund nii bu sañoon bu nekk sa place lan nga xew ah déjà je tenais à le remercier de sa présence maa ngi koy sant bu baax ci lim fi teew et que cet envier mais man man suma ma sañoon mel ni moom franchement suma ma sañoon mel ni moom di roy si moom aussi on règle et merci beaucoup monsieur Pape Sagna Mbaye si vous passez par ici. Euh, satisfaction bu mag parce que euh, déjà dama siy profité remercier ko dans la mesure où euh, malgré charge yi mu am fi mu nek ni bi mu fay jóge président mi ngi koy xaar yooyu yëpp il a tenu ñu euh, de sa présence cérémonie bi donc mu nek mbekté bu réussi ñu ñun mu ñëw fii te yéen ñëpp dégg ngeen aussi jappalé bi nga xamné jappalé ko école bi. muy muy première fois ñukoy def. Euh, tey ñu parrainé ko koo xamante ni tey doomu Pikine la. Hmm. lan moo tax ngeen choisir Pape Sagna ci Pikine. en fait c' est c' est pas la première fois chaque année dinañ def cérémonie d' intronisation boo xam ni des fois c' est des maires yenn saa yi kii parce que euh, chaque fois lii dafa bokk si kii parce que da ngay jàngal xale yi à être des futurs leaders des futurs responsables le fait ñu euh, jël Pape Sagna Mbaye euh, def ko comme parrain wu cérémonie bi xalé yi dañu laaj soxla référence parce que référence yi yi ñu bëgg jël référence du référence dañu soxla référence comme dañu nekk ci domaine jàng bi yoo xam ni ay nit yu am xam-xam lañ ay nit yu fonk jàng lañ ay nit yu nangoo liggéey lañ te Pape Sagna ku xool cursusam xool euh, cheminement am xam ni que mën nañoo sukkandiku ci ay jëfam pour def lu rëy ci dëkk bi ndax mënoon naa toog moom li mu am rek mën na koo doyax njabootam mais il a

cheminement bi nga def ba yegg si fii que bu yi macha allah ñu ñuy tàggee boobu ma def nag moom euh, mënuma wax ni que c'est un parce que liggéey rek la liggéey rek kay fay aussi euh, collaborateurs yi lay jege nekk ay nit ñu xereñ. ñoo xam ni da nga bokk ak ñoom vision donc da ngeen xëccandoo ensemble et loolu tax na qualité résultat yi ak qualité njàngale bi donc résultat yooyu nag mooy tax parents yëpp di ñëw parce que ku sañoon sa doom am li gën donc boo déggee ni que école bi kat mi ngi def ay résultats automatiquement kon da ngay am foofu wóolute pour yóbbu fa sa doom donc ñu profiter ci occasion bi aussi pour remercier parents bi yi nga xam ni am nañ wóolute su ñun ba jox ñu seen njaboot di ñaan yàlla yàlla nañ leen ci yàlla defaral weesu seen njaboot. Mais en fait, le secret de ce notal, c'est le travail et une belle collaboration entre moi et les collaborateurs. Il y a toute une équipe qui est derrière moi. Bon, vraiment, machallah, nous avons fait des C'est une relation avec l'autorité locale ou l'État Parce que nous savons que l'administration, il y a des relations excellentes là avec euh, l'autorité les autorités académiques les autorités de la commune les maires vraiment on a une très belle relation parce que avons une euh, qualité ku sañoon euh, département bi ngay gérer nga gis fa structure qui xam ne ñu de lay jàppale ci sa politique Et jàppale de sa politique bon, nous dara lu dul di résultats donc nous avons vraiment aussi il amal jukkal amal remerciement parce que nous fonctionnons Seydou la preuve la plupart d'entre eux sont des yi fii la ñu nekk ñu bëri des doom yi fii des ñu donc on a vraiment de très belles relations ba si inspecteur bi ñëw tey gis ngeen ko toujours sur Seydou Nour Tall tey li mu témoigner si cérémonie il fu mu dem loolu lay des fois ça fait un peu de ça crée un peu de jalousie mais il le dit toujours haut et fort da leen comme référence Seydou Nour De dem leen ngeen laaj Seydou Nour Tall nu muy def donc yoyep c'est pour vous dire tout simplement qu'il y a vraiment une très belle collaboration entre man ak euh, kii vraiment amuñu dara ben xaar yalla c'est bon si ñu la nga sant ñi nga xamanteni ñom ñu nga wara sant. donc euh, sant bi dina sant déjà xalé yi parce que ñom ñep engagé wu nañ ci processus bi à fond ci anam bi mu gën a fêter donc euh, di sant aussi sama collaborateurs yi parce que dafa am ben comité de de gestion comité d'organisation boo xam mettre nañ en place pour top si ginnaaw xale parce que xalé yi mën nañ baña xam ñun ñi nga xam ñoo leen ëpp expérience la ñuy topp seen ginnaaw def leen lii bàyyi leen lii bu di leen encourager ñuy def toujours mieux donc comité d'organisation boobu aussi teew nañ fi ñoom ñëpp jàpp nañ si organisation bi ak xale yi ba amal naa leen jukkal de même que professeur yi nga xam ne aussi ñu ngi fi ak parents d'élèves yi nga xam ni ñu ngi kii mais mënuma tëj sans encore une fois

charge yi nga xam ne jox nañ ko ko mu oyof si moom te mu am si ndam bu rëy rëy rëy